le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau du Studio Kalangou pour euh, le forum du Studio Kalangou, Bakim Batour al Mustafa à la présentation. Le thème de ce soir porte sur la question du transport des étudiants par les bus à l'université en ces temps de Covid-19. L'université Abdoumoun de Niamey compte euh, à ce jour plus de 26 000 étudiants qui sont inscrits dans les différentes facultés que compte euh, l'université Abdou de Niamey. Ce ne sont pas tous les étudiants qui habitent sur le campus universitaire ou logent nombreux des étudiants qui sont inscrits à l'université Abdelmoundinem. Beaucoup d'entre eux vivent dans le quartier de la ville de Niamey, d'autres dans les cités qu'on appelle les cités annexes ou bien dans des endroits qu'on appelle communément ambassades des étudiants ou d'autres chez leurs parents ou leurs tuteurs comme lieu d'hébergement pour leurs études universitaires. Pour se rendre à l'université, certains de ces étudiants empruntent les bus universitaires qui font la navette pour les acheminer au cours et également les ramener chez eux le soir ou bien à midi après la descente de cours. Comment alors s'organise le transport des étudiants Dans quelles conditions ces transports s'effectuent Quels sont les risques en temps de transmission de la maladie de coronavirus Quelles sont les difficultés dans le cadre de ces transports des étudiants et quelles sont les mesures de prévention prises ou à prendre contre le coronavirus dans le cadre de ces transports des étudiants c'est pour vous apporter, chers auditeurs, des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées que nous avons invité M. Aboubakar Hamidou Moubarak, qui est le délégué général de la commission transport au niveau de l'université Abdoumoum Deniamé, délégué général de l'ONU union des étudiants nigériens inscrits à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous avons également, euh, euh, bonsoir Monsieur Moubarak. Bonsoir euh, Monsieur Nous avons également avec nous ce soir Monsieur Mohamedou Alassane Bello, qui est étudiant en biologie, ancien délégué général de la CCD, Commission des exposés, conférences et débats. Bonsoir Monsieur Bello. Nous avons également euh, avec nous au téléphone, M. Ibrahim Al-Bachar, qui est délégué principal de la commission transport de l'Université Abdelmoudinamé. Bonsoir Al-Bachar. Euh, bonjour, M. Al-Mustafa. Pour euh, ce forum, nous précisons que nous avons également invité le CENU, qui est le Centre national des œuvres universitaires, mais qui, très malheureusement, nous ne pouvons pas compter avec nous sur ce plateau ce soir, mais en espérant que dans les prochains jours, le CENU répondra pour que nous puissions tenir le forum avec eux. De nombreux étudiants de l'université Abdou empruntent les bus universitaires pour les acheminer que l'État du Niger a mis à leur disposition pour se rendre à l'université et revenir chez eux. Le volet transport des étudiants est géré par le CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Comment s'organise le transport de tous ces étudiants C'est ce sur quoi nous allons échanger ce soir avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau et également avec euh, M. Al-Bachar Ibrahim qui est avec nous au téléphone. Alors, chers invités, merci pour euh, avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer par vous poser la question de savoir quels sont euh, les avantages que les étudiants tirent de ces transports qui s'effectuent par les bus que l'État a mis à la disposition des étudiants et qui sont gérés par le Centre national des œuvres universitaires. Nous allons commencer par euh, Monsieur euh, Moubarak, qui est le délégué général de la commission transport au niveau de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Merci très bien, Bakimbo Touré Al-Mustafa. Merci pour la parole donnée. De premier abord, je remercie Allah le Tout-Puissant qui, par sa grâce immense, nous a permis d'être là avec vous. Et secondo, je m'acquitterai dans un agréable devoir, celui d'exprimer ma profonde gratitude ainsi que les remerciements au niveau de votre studio Kalangu qui nous permettra en tout moment d'exprimer nos joies et nos mécontentements par rapport à un événement. Par rapport à la question des transports, les avantages et les inconvénients. Moi, je préférais commencer par les inconvénients. Merci, merci Moubarak. Nous allons commencer à, euh, nous allons venir à parler à ces questions d'inconvénients, mais à présent, parlons des avantages. Au fil du débat, au fil du temps, on viendra à cette question euh, d'inconvénients. C'est vrai, il y a des avantages, mais les avantages ne sont pas nombreux. Mhm. Les avantages que permet aux étudiants qui sont loin, qui sont tellement loin, le permettra de les acheminer. Mhm. Même s'ils sont acheminés tardivement, il faut reconnaître qu'il y a les miettes par rapport à cela. Et le second avantage permettra aussi aux étudiants qui sont en difficulté, par exemple, de poursuivre leur euh, examen, qui sont tellement dans une autre zone, le permettra aussi de les acheminer souvent nuitamment. Mm-hmm. Par rapport aux inconvénients, ça, il faut noter. Merci, M. Moubarak. Nous allons venir à la question des inconvénients. Avant donc de venir à toutes ces questions d'inconvénients, comme nous sommes avec également euh, Alassane Bello et Ibrahim qui est avec nous au téléphone, nous allons leur demander de donner leur point de vue par rapport à cette question euh, davantage que les étudiants tirent de ces transports qui s'effectuent euh, par des bus qui sont mis à la disposition des étudiants par l'État nigérien et gérés par le Centre national des œuvres universitaires. merci Studio Klangou pour l'invitation. Effectivement, par rapport euh, à la question du transport des étudiants, mhm. il y a un avantage que là. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'avantage Il faut noter de passage qu'à l'université, nous avons euh, une vingtaine de bus avec euh, le nombre d'étudiants qui au-delà de 22 000 étudiants à l'université. L'avantage est que les étudiants sont certains sur la cité universitaire, dans les cités annexes, mais il faut noter que la majorité de ces étudiants logent en ville. Et il y a ceux qui sont à euh, un kilométrage euh, euh, quand même très important de l'université et cela permettra à ces étudiants, ou j'allais dire permet à ces étudiants de pouvoir venir à l'université à temps. Et en dehors de ça, le, un autre avantage, c'est quoi C'est qu'à l'université, déjà, les étudiants, la bourse, l'aide sociale ne tombe pas à temps. Donc, du coup, la présence des bûches leur permet effectivement de venir à l'université à temps et à un coût, à un prix quand même de tickets de bus euh, euh, assez considérable. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, 50 francs euh, du billet de bus va permettre à tout étudiant de pouvoir être à l'université. Et le bus aussi, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez, il y a des camarades qui sont vers les cités députées, qui sont à l'aéroport, qui sont un peu partout dans les quartiers récurrents de la ville de Niamey. Donc la présence de ce bus permet euh, à ces étudiants de pouvoir venir à l'université sans qu'il y ait beaucoup de gaspillage et surtout que les étudiants qui n'ont pas de moyens de déplacement. Et aujourd'hui, ces moyens de déplacement qui manquent aux étudiants euh, font en sorte que certains qui ne prennent pas en tout cas les bus, se viennent arrêter du fait tout simplement souvent de l'emboutillage, souvent aussi des moyens nécessaires pour prendre le taxi ou avoir une moto pour se déplacer. Mais aujourd'hui, avec la question des bus, et le ticket est à 50 francs. Donc je crois bien que ces 50 francs peuvent quand même profiter à beaucoup d'étudiants de pouvoir euh, en bénéficier de cet avantage euh, pour les bus à l'université. D'accord, merci Monsieur Mahmoud Alassane Bello par rapport à cette question euh, des avantages que vous venez d'évoquer. Je disais tantôt que nous sommes également avec Ibrahim al qui est avec nous au téléphone, qui est le délégué principal de la commission transport des étudiants au niveau de l'université de Niamey. Nous allons poser à Al-Bachar également la même question pour qu'il dise euh, quel élément d'ajout peut-il apporter par rapport à cette question euh, d'avantage que tirent les étudiants euh, dans ce transport qui s'effectue par les bus gérés par le Centre national des œuvres universitaires. Monsieur Ibrahim, dites-nous de votre point de vue quels sont les avantages que tirent les étudiants de ce transport qui s'effectue par les bus. Merci beaucoup, Monsieur Al-Mustafa, de m'avoir invité. Euh, en ligne sur ce plateau. D'abord, je, parlerai des avantages euh, par rapport euh, à l'acheminement interurbain, c'est mhm. la question des transports. en fait, il y a d'abord l'avantage psychologique, c'est celui d'abord de, de, de, motiver les étudiants à se réveiller tôt. Parce que si vous le, si vous le constatez, le, bus, le premier tour s'effectue à, à 6 heures, à 6h, à 6h30. Donc l'étudiant, les étudiants sont d'abord entraînés à pouvoir euh, à, se mettre d'abord à l'air, à se réveiller tôt afin de préparer euh, leur, quotidien. Mhm. Maintenant, en embrassant euh, le coût, l'avantage à travers le coût, ça c'est vraiment très énorme, comme l'a dit tout à l'heure l'ancien camarade, le camarade délégué général de l'ancien CECD qui avait, qui avait parlé de, l'aide sociale et de la bourse qui n'arrive pas tant par mhm. rapport au coût. Ça, c'est vraiment un atout, puisque c'est 40 francs l'acheminement. Mhm. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Et l'autre avantage par rapport au temps, puisqu'il y a une subdivision. Mhm. Il y a un tour, il y a le premier tour de 6 heures qui peut continuer jusqu'à 8 heures, qui dépendra aussi du nombre d'éléments de, de, de, camarades de l'axe qui peut continuer de 6 heures 30 jusqu'à voire même euh, souvent souvent 9 heures. Maintenant, il y a aussi des tours de 10 heures. Des tours de 10 heures qu'on effectue pour les camarades qui sont à la, à la FCH, qui partent prendre des cours à la FCH. Il y a aussi un autre tour de, de 10h30, euh, de de 10h30 aussi qui part à, euh, comment on appelle, au, au palais des arts martiaux là. Il y a, et, tout cela, c'est dans, c'est dans, dans la directive de pouvoir aider les camarades à, à pouvoir être acheminés à, euh, des tarifs, à des tarifs non coûtés. Et mhm. aussi, il y a aussi le tour de midi 30 qui permet d'acheminer les camarades après avoir épuisé 4 heures de cours qui veulent aussi rentrer à la maison. Et après, il y, aura, a aussi le, euh, tour de 13h45 qui permettrait à certains camarades de rentrer à la maison à midi et de se, de se préparer ou, ou de, se préparer et de revenir à 13h45 attendre le bus et les acheminer. Il y a mhm. aussi le tour de 17h15 de, 18h, souvent de, de, 19h. Et tout cela, si vous faites le compte, ça, ne dépasse pas en tout cas 250 francs. Or, si on prend, si l'étudiant emprunte le taxis au sort là, ça peut lui coûter, ça peut lui coûter environ 2000 francs si c'est un étudiant de, de Niamey 2000. Vous voyez, vous voyez vraiment, il y a, y a d'énormes avantages mhm. dans, dans, dans, en tout cas, de l'acheminement intérieur des, des camarades. D'accord, merci Monsieur Ibrahim Al-Bachar par rapport à ces questions d'avantages que vous venez d'évoquer, les avantages que les étudiants tirent. Vous avez également évoqué la question des étudiants qui partent au niveau euh, de, de, de, de l'Académie des arts martiaux. Donc comme nous sommes avec le DG euh, de la Cota, nous allons lui poser la question. Donc en dehors même des étudiants qui viennent prendre cours, il y a d'autres étudiants qu'on achemine vers d'autres centres en ville pour euh, des activités académiques. Oui, évidemment, euh, il y a des étudiants qu'on achemine dans les centres de ville par rapport aux activités académiques, comme euh, l'avait dit Al-Bachar, les, premiers, les, secondes de de cette commission. Parce qu'il faut noter ici qu'il y a, au vu des situations académiques, mhm. il y a des étudiants, par exemple, vous prenez les étudiants qui font les droits, mhm. qui prennent leurs cours souvent de TD au niveau des académies des arts martiaux. Mhm. Il y a aussi des, euh, comment dirais-je là, hmm, des étudiants aussi euh, des, des FSEC mhm. euh, qui font euh, l'économie et gestion, qui prennent souvent leurs cours et TD au niveau des FSEC. Mhm. Donc, ça leur permettra en tout cas de les aider pour les acheminer souvent à temps. Mhm. C'est pourquoi on a insisté par rapport à, ces, à, leur transport, à leur acheminement, pour qu'ils soient en tout cas bien acheminés, pour qu'ils puissent en tout cas suivre les TD ou des examens qui vont leur permettre en tout cas de euh, de bien assurer leur activité académique. Alors merci euh, camarades, euh, messieurs. Euh, Moubarak, délégué général de la quota commission transport au niveau de l'ONU, Union des étudiants nigériens inscrits à l'université de Niamey. Chers étudiants, chers invités, nous sommes en train de parler du transport des étudiants, de la problématique euh, du transport des étudiants en cette période de Covid-19. Donc, euh, nous allons parler à présent des conditions dans lesquelles s'effectuent ces transports. Après avoir évoqué la question des avantages que tirent les étudiants de ces transports qui s'effectuent par les bus mis à la disposition des étudiants, par l'État nigérien et aussi euh, géré par le Centre national des œuvres universitaires, nous allons à présent parler des conditions euh, de ces transports et surtout des difficultés qu'on peut observer dans le cadre de ces transports en cette période de lutte contre le coronavirus. Alors, chers invités, parlons de ces conditions dans lesquelles sont transportés les étudiants et aussi des difficultés qu'on observe dans le cadre de cette activité, sachant que c'est un nombre de près de 20 bus, comme vous le dites, qui transportent les étudiants et aussi qui assurent la navette de plus de 26 000 étudiants. Euh, monsieur Moubarak, dites-nous quelles sont les conditions dans lesquelles sont euh, transportés ces étudiants euh, de l'Université de Miami. Merci très bien. En tout cas, vraiment, il faut noter ici à ce niveau, les conditions sont tellement difficiles et sont plus ou moins même désastreuses, si je peux le dire. Parce que nous avons plus de 25, 20 euh, ans de vis, mhm. il faut noter, ça ne dépasse pas 22 bus. Mais ceux qui sont opérationnels, ça ne dépasse pas du tout 19. Mhm. Souvent, s'il y a un taux élevé de réparation, on peut avoir 17, 18. Et il y a des étudiants qui sont sur la cité, il y a des étudiants qui sont un peu partout aux alentours des villes de Niamey. Il y a des étudiants qui sont un peu partout aussi dans les cités annexes, y compris dans les différentes ambassades. Mm-hmm. Mais ceux qui partent dans les différentes ambassades ne profitent pas en tout cas de ces bus-là. Et pourquoi les étudiants qui partent dans les différentes ambassades ne profitent pas de ces bus Ils ne profitent pas de ces bus-là parce que il n'y a aucun axe qui est mis à leur disposition. Mm-hmm. Par exemple, ceux qui, prend, euh, ceux qui sont dans les différentes euh, ambassades, dans les zones un peu écartées, je peux le dire, mhm. de Harubanda, en tout cas, il n'y en a pas, en tout cas, des bus qui partent là-bas. Mhm. Parce que le bus qui assez, il y, a un bus qui est mis à Harubanda, mhm. mais il ne part pas au profond. Au profond. Parce que ils ont euh, la création des axes, ils ont mis vraiment des repères qui vont leur permettre de bien assurer les carburants, comme, comme ils ont dit. Mais à ce niveau, il faut noter aussi ceux qui partent en ville là sont plus ou moins nombreux. Pour ceux-là qui logent à l'université, pour ceux qui logent aussi dans des différents ambassades et ceux qui logent dans des différentes cités annexes. Mhm. Parce que ceux qui partent en ville là vraiment sont plus nombreux. Parce qu'on a eu tellement de difficultés. Avec 22 euh, bus, souvent c'est 16 bus qui sont opérationnels, ou souvent même un bus peut partir et du retour peut tomber en panne. Mhm. Avant de le réparer, les étudiants, en tout cas, ils vont se sentir vraiment tellement lésés. Aussi, nous avons des bus de capacité tellement restreinte. Même les bus euh, plombés, les bus de différentes compagnies, prennent que plus de, je crois bien, 80 ou 90 personnes. Mais nous, on n'a aucun bus qui peut prendre les 80 personnes. Souvent, on a des bus de capacité de 45 places ou bien 50 places. Mhm. Souvent, même, si un seul bus, je crois bien qui a une capacité de 50 places. 50 places. Mhm. Un bus qui est censé de prendre 40 personnes prend plus de 100, euh, et quelques étudiants. Mhm. Donc vraiment, les conditions vraiment sont vraiment désastreuses. Souvent, on peut avoir même des cas de succombe. Il y a des camarades qui se sont vraiment tellement coincés jusqu'à même succomber, des asthmatiques. Mhm. Ça, vraiment, ça ne met pas à un étudiant. Parce qu'un étudiant ne peut, n'est pas venir plus se vilipender. Parce que la personne qui est succombée, on lui prend, souvent il va se sentir vraiment délaissé pour venir même prendre son cours avec ses camarades. Mmh. Et je crois bien que vraiment, les étudiants ne méritent pas ça. Mmh. D'accord, donc euh, merci Monsieur Moubarak. Nous sommes également sur, ce soir sur ce plateau avec euh, M. Mohamed Alassane Bello, qui est ancien délégué général de la CCD, commission euh, exposée et conférence débat au niveau de l'ONU. Dites-nous, M. Alassane Bello, quel élément d'apport, d'ajout pouvez-vous apporter par rapport à ce que vient de dire euh, M. Mbarak euh, quant aux conditions dans lesquelles les étudiants sont acheminés pour euh, leur lieu d'étude, d'autres pour le, retour au niveau de lieu d'hébergement, et d'autres pour aller, surtout quand il parle de ces étudiants qui sont dans les ambassades et qui ne profitent pas des bus parce qu'il n'y a pas suffisamment d'axes à leur disposition qui peuvent permettre à ce que ces étudiants puissent rentrer ou bien venir à leur lieu d'étude. Merci une fois de plus, Studio Effectivement, euh, tout à l'heure, nous avions parlé des avantages euh, que tirent les étudiants par rapport au transport euh, des bus. Et cette fois-ci, en ce qui concerne les difficultés, il faut, avant de parler proprement dit de ces difficultés, je crois bien que est très important d'examiner un peu la situation en fait de ces bus-là. Nous l'avions dit à l'université, il y a plus de 22 000 étudiants. Et au vu du nombre de bus que nous disposons, cela prouve à suffisance que les difficultés sont énormes. Par exemple, aujourd'hui, euh, la capacité en fait, euh, que peut contenir un bus, mhm. les camarades ne dépasse pas 50 places. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous constatez la sortie de ces bus, vous allez voir des camarades qui sont accrochés de façon quotidienne au niveau de, ces bus et nous avons comme l'impression que les camarades sont entassés comme si c'est dans une boîte de sardines. Et en fait, il y a un grand risque à ce niveau. Et c'est quoi les risques maintenant au vu de l'embouteillage euh, au niveau de la circulation il y a possibilité que ces camarades qui sont accrochés au niveau des portes des portes des bus puissent quand même euh, se retrouver peut-être euh, blessés même ou tombés et je crois qu'en pleine circulation, lorsqu'un camarade, un étudiant va tomber, quand même, c'est à son risque et péril. Et je crois bien qu'à ce niveau, pourquoi, pourquoi, vous dites que c'est à son risque et péril quand un étudiant tombe, par exemple, ou bien se fait blesser lors de ses transports C'est à ses risques et périls. Il n'y a pas euh, de suivi, il n'y a-t-il pas un mécanisme qui peut permettre de le prendre en charge En fait, on peut avoir des mécanismes, mais pourquoi je le dis Parce qu'aujourd'hui, c'est là qui sont censés piloter la démarche de ce transport euh, des étudiants, en fait, ne le font pas au sérieux. Parce que s'ils le font au sérieux, comment se peut-il que dans une institution comme l'université, euh, qui est d'ailleurs euh, la représentation nationale, on constate que des étudiants s'entassent dans les bus. Un bus qui doit contenir par exemple 45 ou 50 étudiants, vous pouvez voir que c'est au-delà même de 100 étudiants qui vont euh, prendre ces bus-là pour aller en ville. Et là, je crois qu'à ce niveau, le risque, c'est pour l'éviter quand même, il faut que les dirigeants au niveau du CENU puissent euh, mettre un œil de regard rapport à D'accord, merci, merci Monsieur Mohamed Alassane Bello. Nous allons venir à la question de perspective de ce qu'il faudra faire pour éviter les appels qu'il faudrait euh, lancer à l'endroit des autorités qui ont en charge euh, cette question de transport des étudiants au niveau de l'université. Nous avons avec nous Monsieur euh, Al-Bachar Ibrahim Mohamed qui est avec nous en ligne. Monsieur Al-Bachar, dites-nous, de votre point de vue, quel élément d'ajout pouvez-vous apporter par rapport à ce que viennent de dire M. Alassane Bello et M. Moubarak par rapport aux conditions dans lesquelles les étudiants sont transportés euh, au niveau des différentes, avec euh, les différents bus que gère le Centre national des œuvres universitaires Je rappelle que vous êtes le délégué principal euh, adjoint de la commission transport. en réalité, je ne voudrais pas rentrer en contradiction avec mon camarade délégué général Moubarak qui dit on a 22 bus que actuellement, il y a 17 ans qui sont opérationnels. Mhm. En réalité, actuellement, nous avons à notre disposition, à notre disposition 26, 26 bus. Uh-huh. Donc, les 26, souvent, les 3 tombent en panne. trois tombent en panne. Euh, uh-huh. Donc, 23 assurent l'acheminement interurbain des, des, camarades. Uh-huh. En réalité, chaque matin, de constater, nous qui sommes, nous qui sommes sur le terrain, euh, ces, 20 ou quelques bus acheminent plus de 6000 camarades le matin. Mhm. Donc imaginez, des bus d'une capacité, euh, dont certains ont la capacité de, euh, de, prendre 80, 85 en fait. Il y, a, des bus qui prennent 85, 86, 88 comme ça. Il, y a, d'autres aussi qui prennent, euh, qui sont d'une capacité de 45, d'autres d'une capacité de 65. Donc imaginez la somme, la somme de ces capacités, si elles peuvent la somme elle-même en tant que telle peut assurer l'acheminement matinal de, plus de 6 000 étudiants chaque matin. Donc vous voyez là, quand le bus commence à partir de 6 heures, à, à partir de proportions Et donc quand le bus commence à partir de, 6h30, vous voyez, il, y a, euh, ne peut s'arrêter qu'aux environs de 9h20, 9h30 comme ça au maximum, dans, dans le but d'acheminer les camarades en, Attends. Et euh, les risques sont, euh, compte tenu de, la COVID-19, euh, imaginez qu'on dise qu'il faut, il faut la, question de distanciation, et d'éviter en tout cas le, contact, les bavettes et tout ça là. Vous voyez mhm. Mal, Malheureusement, on ne peut pas du tout assurer en tout cas ces mesures. Compte tenu en tout cas d'ici au-delà de la demande qui est là, puisque c'est la demande qui est supérieure à l'offre, mhm. l'acheminement, en tout cas, nous l'effectuons dans des conditions tout cas hostiles. Mhm. Donc, euh, si nous comprenons, ces bus prennent des capacités qui sont au-delà de leur euh, au-delà, de, de, leur intensité, mhm. de leur, voilà, un, énorme surcharge. Mhm. Euh, ensuite aussi, si, si, vous le constatez, imaginez un bus, un bus qui prend 45 places, 45 personnes, et que, et que ce bus à qu'à l'interne, on se forme, on se, forge le quai. Il y a des queues que nous formons. Et le quai, même, euh, c'est des queues que nous formons dans la plupart des bus. Et qu'est-ce qu'on entend par queue que vous formez dans euh, les bus oui, le queue, c'est la station debout, la station debout rangée par, par des camarades. Nous en fixons deux, voilà, collés euh, sur, Mm. Donc, si nous comprenons, ce ne sont pas tous les étudiants qui empruntent les bus qui ont la possibilité de s'asseoir euh, sur euh, les chaises que comptent les bus. D'autres sont euh, obligés de se tenir debout à travers ce que vous appelez queue. Oui, les, les, les obligés à se tenir debout sont plus nombreux que ceux qui occupent, les places d'assises. Mais puisque, on qu'il y a 45 places, quand en formant le pied, on peut prendre jusqu'à 140 personnes, 140 camarades. Donc les 140 ajoutés aux, aux 45 places assises donnent les 195. Hmm. Par bus et en, réalité, c'est le surcharge même qui accélère la détérioration des bus qui tombent le plus souvent en panne. Hmm. Hmm. Donc, merci, M. Ibrahim. Vous avez tantôt évoqué la question de Covid-19, euh, les mesures. Pourquoi dites-vous qu'il euh, n'y a pas la possibilité de prendre euh, des mesures face à cette pandémie de coronavirus qui, un peu, en tout cas, fait des dégâts un peu partout au monde entier ah, si, si moi je vous dis qu'on ne peut pas, voilà, entre autres, les camarades sont très exposés l'un envers l'autre. Et si on dit, on décide euh, d'appliquer les mesures de distanciation, enfin bref, de, distanciation euh, ou de, les mesures préventives, c'est qu'on va passer toute la journée à acheminer les camarades de 6h, 30 jusqu'à, en tout cas, pendant toute la journée. Mhm. il faut vraiment assurer les, questions de mesures préventives. Et si on se dit d'ajouter à notre, euh, un nombre de jeu, de pour pouvoir attirer vraiment les mesures que là, on ne peut pas. Que vraiment, un bus, ça coûte. Et le gouvernement ne va pas nous écouter euh, là-dessus. Mm Donc, c'est incertain là. D'accord, donc merci M. Ibrahim. Nous sommes également euh, ce soir sur ce plateau avec Monsieur M. Moubarak, qui est le délégué général euh, de la COTA, Commission Transport au niveau de l'ONU, euh, Union des étudiants nigériens inscrits à l'Université Abdelmoudinamé. Également de M. Mamadou Alassane Bello, qui est ancien délégué général de la CCD, Commission exposée, Conférence, Débat. Nous sommes en train de parler de conditions dans lesquelles s'effectuent les transports des étudiants de la ville vers les lieux d'études également et vice-versa. Et M. Ibrahim vient de évoqué la question du coronavirus qui fait partie également des axes de euh, notre débat de ce soir. Donc, Monsieur euh, Moubarak, dites-nous euh, quelles sont les mesures que prennent les étudiants ou bien comment s'effectuent ces transports en cette période de coronavirus, pourquoi il n'y a-t-il pas de mesures et, quelles sont les difficultés que vous, vous constatez par rapport à cette pandémie de Covid-19 Voilà, merci très bien pour cette question. Parce qu'il faut noter, par rapport à la question du Covid-19, il y a aucune, il y a aucune prévention ou bien aucune mesure qui va nous permettre de respecter cette distanciation sociale. Parce que, il faut noter que les bus qui prennent les étudiants ne font pas de charge, c'est des surcharges. Mhm. Donc, un bus qui fait les surcharges, je ne vois pas dans quelle mesure on fait la distanciation sociale. Mhm. Par exemple, la fois dernière où nous avions évoqué la question par rapport euh, au respect des mesures mhm. de prévention, le directeur général de SUNU nous avions, euh, m'avait dit que c'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que nous n'avons pas assez de bus. Parce que pour faire respecter cette mesure, il faut qu'on aille un nombre pléthorique de bus mhm. qui va nous permettre non seulement d'acheminer les camarades, euh, qui va permettre aux camarades de prendre des de places, mhm des places dans les même si ils vont porter leurs vavettes. En tout cas, la mesure là, est, euh, ça, va mieux que de leur permettre de les acheminer et de les entasser. Parce que si une fois ils sont entassés, je ne vois pas encore dans quelles conditions on ne doit pas avoir la transmission. Parce qu'on ne souhaite pas. Et non seulement, aucune vavette n'a été mise à la disposition des étudiants. Parce que pour faire respecter cette mesure, il faut qu'on ait des vavettes, il faut qu'on ait euh, des, des, bis, qui va permettre aux étudiants d'être acheminés, même s'ils prennent des, chaises assises. Mhm. Et il faut noter aussi à ces lieux, euh, par rapport à, la question de Covid-19, mhm. aucune mesure ne sera respectée par rapport à la commission des transports et par rapport même aux étudiants de l'université Abdoumdinami. Parce que s'il y a un contact dans les bus, il y aura à avoir des contacts aussi au niveau des autres étudiants. Mhm. C'est possible. Prenez l'exemple s'il y a euh, un, délégué qui prend les bus, il sera en contact avec les autres délégués dans les amphis. Mhm. Et une fois il sera en contact avec les délégués dans les autres amphis, il sera en contact avec leurs camarades aussi dans les différentes chambres. Et ces camarades qui sont été en contact avec lui vont partir en ville, ils seront en contact avec leurs parents. Donc vraiment, il y a un danger tellement particulier par rapport à ce niveau. Mhm. Donc il faut qu'on ait des dispositions qui vont nous permettre vraiment de sauver ou bien de faire la prévention qui va permettre la, euh, qui va permettre d'empêcher la propagation de cette maladie COVID-19. D'accord, merci M. Moubarak, délégué général de la commission euh, transport, commission de l'ONU, Union des étudiants nigériens inscrits à l'université de Niamey. Nous avons avec nous également M. Alassane euh, Mamadou, Mamadou Alassane Bello, qui est ancien délégué général de la CCD, commission exposé conférence débat, dites-nous quelle appréciation euh, avez-vous par rapport aux conditions dans lesquelles les étudiants sont transportés en cette période de Covid-19 et euh, quel constat faites-vous par rapport euh, au non-respect des mesures barrières Merci une fois de plus Studio Kalangu. En tout cas, le, constat que nous pouvons faire à ce niveau, je crois que le très clair, surtout au vu au vu de la manière euh, à travers laquelle euh, nos camarades euh, sont acheminés de part et d'autre. Aujourd'hui, la seule question même relative au nombre d'étudiants et de bus peut quand même démontrer avec la plus grande clairvoyance qu'il y a un véritable problème par rapport au respect des mesures édictées par le gouvernement, donc en relation avec le Covid-19. Et pourquoi je le dis Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, la première mesure qu'il faut d'abord euh, mettre en évidence, c'est le contact. Et aujourd'hui, quand vous prenez le bus de la manière à travers laquelle les camarades sont entassés, ne peut pas en fait permettre aux étudiants, en tout cas qui prennent le bus, de pouvoir se protéger contre le Covid-19, surtout lorsqu'on euh, sait que en fait la manière par laquelle cette propagation du coronavirus euh, euh, s'accentue, ce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en contact direct avec ceux qui ont le Covid-19, donc euh, il n'y a pas du débat que la contamination sera au rendez-vous. Et surtout aujourd'hui, le camarade délégué général vient de le dire, au vu de ces nombres-là, en fait, il serait très difficile de pouvoir respecter cette mesure de distanciation du fait tout simplement que les moyens nécessaires ne sont pas mis à la disposition de cette euh, commission de ces volets transport pour qu'il y ait le respect de ces mesures édictées par le gouvernement. Donc je crois que de façon résumée à, ce niveau, il y a un sérieux problème et ces problèmes euh, de transport surtout pendant cette période de Covid-19, euh, doit interpeller les uns et les autres à comprendre que, euh, en fait, il y a nécessité de pouvoir respecter euh, ces mesures, mais comment les respecter Parce que tout dépend de la possibilité et en fait l'atmosphère dans laquelle les étudiants sont en train d'être transportés, ça ne peut pas leur permettre de pouvoir respecter les mesures barrières, surtout par rapport à la distanciation sociale. Quand on parle des mesures euh, barrières, surtout il y a euh, la distanciation sociale, mais aussi euh, le port de bavette, parce qu'aujourd'hui, on suppose que le port de bavette peut atténuer le risque de contamination de cette pandémie de coronavirus. donc, est-ce qu'il y a des dispositions prises au niveau des étudiants pour prendre, pour mettre des bavettes et atténuer ou bien diminuer, arrêter cette propagation de la maladie de coronavirus oui, c'est vrai en dehors de la distanciation sociale qui doit régner au niveau des camarades de, euh, de le volet transport, le port de bavette aussi euh, est un élément très important. Mais sérieusement, quand vous constatez ou quand vous partez au niveau de, de, l'université, euh, même dans les bus, vous allez comprendre qu'en fait, les camarades ne sont pas en train de porter ces bavettes. Mais peut-être c'est un problème en fait structurel. Pourquoi elle est structurelle Aujourd'hui, euh, quand nous sommes dans ce genre de, de moments de difficultés sanitaires, je crois que en fait, il y a un accompagnement qui doit être fait. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement euh, du point de vue du port de bavette, raison pour laquelle on constate que même dans les bus, euh, les camarades ne les portent pas. Mais quand même, il faut noter qu'il y a certains camarades qui s'achètent des bavettes, ils portent ces bavettes-là et les rentrent dans les bus, mais la majorité quand même des camarades ne portent pas euh, des bavettes. D'accord, merci Monsieur Mamadou Alassane Bello. Nous avons compris que majoritairement les étudiants ne portent pas leurs bavettes dans les bus et, ce sont des bus dans lesquels les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées comme il ressort des interventions de nos invités sur ce plateau ce soir pour parler des conditions dans lesquelles les étudiants sont transportés, s'effectuent les transports des étudiants de leur lieu de résidence au lieu d'études. Nous avons avec nous au téléphone Monsieur Al-Bachar Ibrahim euh, qui va euh, nous dire quelles autres euh, difficultés on peut constater avant de parler des perspectives, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission et nous allons devoir parler des perspectives que vous allez pouvoir évoquer afin de trouver des solutions idoines à ces problèmes de transport des étudiants. Monsieur Ibrahim, quelles autres difficultés peut-on constater avant de parler des perspectives la, difficulté, en tout cas comme je les ai énumérées dessus Mhm. c'est que vraiment on peut pas. Euh, en fait, c'est pas, ce n'est pas que ce n'est pas ce n'est pas le port des bavettes qui est le problème. Mhm. Le problème majeur d'abord euh, contre la contre la Covid 19 là, il s'agit d'éviter le contact. Et dans l'acheminement, c'est une chose vraiment incertaine à laquelle on ne peut pas du tout penser. Mhm. Donc, ce n'est pas possible. C'est dans le bus, vous voyez des gens qui sont surentassés, qui, qui font des tours, tout ça, là, vous voyez. vraiment, la contamination est inévitable. D'accord, merci M. Ibrahim Al-Bachar. Nous avons compris qu'il euh, y a vraiment des difficultés sérieuses par rapport à la question de lutte contre le coronavirus dans cette question d'acheminement des étudiants au niveau de leur lieu d'études, euh, aussi pour leur retour au niveau de leur euh, résidence. Nous allons à présent parler des perspectives. Alors, euh, chers invités, nous sommes pratiquement presque à la fin de notre émission de ce soir, euh, dans laquelle nous parlons des conditions dans lesquelles sont euh, transportés les étudiants de leur lieu de résidence au lieu d'études et vice-versa pour le retour au niveau de leur résidence. Parce que parmi les étudiants qui, sont inscrits à l'université de Niamey, nombreux sont ceux qui résident en ville, qui ne sont pas sur les cités universitaires ou les cités annexes qui logent des étudiants inscrits à l'université de Niamey. Alors, chers étudiants, avant de clore cette euh, émission, ce forum de ce soir, nous allons vous demander de nous parler de perspective. Nous sommes avec euh, Monsieur euh, Moubarak, qui est le délégué général de la commission transport au niveau de l'ONU, Union des étudiants nigériens inscrits à l'Université de Niamey. Monsieur Mubarak, dites-nous à titre de perspective, qu'est-ce qu'il faudra faire selon vous pour aujourd'hui solutionner toutes ces difficultés qui sont évoquées au courant de ces débats Merci très bien, mais la solution ou bien des solutions sont simples. Parce qu'il faut noter à ces lieux, il faut qu'on ait un nombre de vis qui vont nous permettre d'acheminer non seulement les étudiants, pour les réduire dans des différents, euh, pour les réduire euh, vraiment leur souffrance davantage. Et secondo, il faut aussi qu'on ait des bis, même si on doit prêter certains bus qui sont amortis dans des différentes sociétés pour nous permettre de respecter cette distinction sociale. Mhm. Parce que c'est la seule solution. Mais pour faire cela, il faut que l'État, c'est vrai, c'est l'État qui est en charge des bis, à travers euh, leurs promesses, et chaque an, dotation, il y a une dotation de 3 bis par rapport aux universités, mhm. euh, par rapport à l'université de Mondiniamé, à ce que je sache. Mhm. Mais cela n'a pas. de 3, bis. Mhm. Mais cela n'a pas encore été respecté. Et, et cela, c'est un accord de principe ou bien comment ça se passe c'est un accord vraiment par rapport euh, à par rapport aux plateformes revendicatives que nous avions connues dans, dans, les autres années. Mhm. Et jusque-là, l'État encore ne respecte pas ça. C'est vraiment, euh, je crois bien, c'est l'année 2019 mhm. où l'État avait fait une dotation de 8 malgré que les 8 sont tellement insuffisants pour permettre d'acheminer les étudiants. Et pourquoi vous dites que l'État ne respecte pas ce que, Comment prouver cela ne respecte pas ça. Parce que si l'État respecte ça, les conditions vraiment seront un peu améliorées. Mhm. Les conditions dans lesquelles on achemine les clients seront un peu améliorées. Mhm. Parce que si on, si on fait une dotation de 3 bis chaque an, on respecte ça, vraiment, on doit en tout cas nous trouver maintenant dans une autre alternative qui va nous permettre vraiment de voir la meilleure des solutions qui va nous permettre de respecter cette distinction sociale. Mhm. Parce que si on respecte ça, on n'arrive pas à avoir toujours les, les, les, 23 ou bien 24 bis qui sont toujours à notre disposition. Euh, mhm. secondo, pour faire ça, il faut que l'État puisse avoir euh, des partenariats avec les différentes compagnies, les différentes compagnies de transport. Mhm. Parce qu'ils ont des bus amortis. Les bus amortis, là, on peut mettre ça à la disposition des étudiants. Mhm. L'État peut s'arranger entre eux. Ça peut nous aider. Et secondo, aussi, il faut que aussi certains euh, personnels qui sont vraiment qui peuvent vraiment aider les étudiants puissent aussi investir. Parce que c'est vrai, avoir un ce n'est pas facile. Mais quand il y a une meilleure collaboration, quand il y a vraiment une société, euh, quand il y a une meilleure association qui va permettre d'aider l'État pour mettre à la disposition aux, étudiants des bus minimums qui va leur permettre de les acheminer, vraiment c'est mieux. D'accord, merci M. Moubarak par rapport à ces questions que vous avez évoquées, notamment s'agissant des perspectives qu'il faudrait envisager pour euh, solutionner ou bien pour euh, acheminer les étudiants dans des conditions meilleures. Nous allons écouter également M. Alassane Mamadou Bello, qui est euh, délégué général ancien de la CCD et qui est avec nous ce soir étudiant en biologie. Dites-nous, de votre point de vue, quelles sont les perspectives qui doivent être envisagées pour euh, trouver une solution idoine par rapport à cette question de transport des étudiants, surtout euh, axée sur euh, ce temps, cette période de lutte contre la maladie de coronavirus. merci, Studio Kalangou. Je crois bien que, en termes de perspective, le camarade délégué général Moubarak a évoqué un certain nombre de points. Euh, je voudrais tout simplement dire qu'en termes de perspective, il faut qu'il y ait en fait euh, un ferme engagement des autorités politiques euh, pour que ces problèmes soient résolus. Et c'est quoi quand même, comme il l'a si bien dit, à un moment donné, si j'ai bonne mémoire, en fait le gouvernement a, promis trois bus chaque année aux étudiants de l'université Monde de Niamey mais euh, fort est de constater que, en fait, cet engagement n'est pas en train d'être respecté. Aujourd'hui, surtout que nous sommes euh, dans une période de Covid-19, donc en fait c'est le moment pour que le gouvernement puisse s'interpeller lui-même à créer les conditions euh, quand même de, de doter l'université d'un nombre important de bus, non seulement pour pallier aux difficultés que vivent les étudiants de façon quotidienne, mais aussi, surtout pendant cette euh, euh, période de Covid-19, parce que déjà, il y a un certain nombre de mesures édictées par le gouvernement. Et je crois que dans ces mesures, quand même, quand vous prenez l'exemple de la distanciation sociale, aujourd'hui, la, la, situation qui vivent les étudiants du point de vue transport ne peut pas leur permettre de respecter cette mesure. Donc, si vraiment l'État veut à ce que cette mesure soit respectée, il va falloir euh, doter l'université de bus suffisants afin de pouvoir y remédier. D'accord. Merci, Monsieur Alassane Bello. Nous avons compris. Nous avons avec nous au téléphone Monsieur Ibrahim Al-Bachar à qui nous allons demander de nous dire un dernier mot puisque nous sommes à la fin de notre émission de ce soir par rapport aux perspectives quel appel a-t-il à lancer à l'endroit des étudiants pour euh, limiter les risques de contamination de cette maladie de coronavirus dans le transport des étudiants Monsieur Ibrahim, nous vous écoutons. Donc euh, malheureusement, nous ne, sommes pas, pouvons pas voir euh, Monsieur M. Ibrahim, il nous a quittés. nous allons devoir clore notre forum de ce soir. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique des transports des étudiants en cette période de coronavirus. Nous avons retenu dans notre forum de ce soir qu'il faudrait créer les conditions d'augmenter, selon les interventions des invités à titre de perspective, augmenter le nombre de bus pour permettre aux étudiants de pouvoir s'acheminer dans leur lieu d'études et retourner dans leur résidence dans des conditions meilleures. Il faudrait créer les conditions de faire en sorte que les autorités respectent respectent les accords de principe qu'il y a entre les étudiants et ses autorités pour leur dotation en bus chaque année, comme ils le disent, euh, trois bus chaque année. Il faudrait également qu'il y ait les conditions d'une collaboration entre, selon les invités, les compagnies euh, de transport et aussi les sociétés, qui, les organisations qui ont en charge cette question des transports des étudiants pour leur mettre, pour mettre à la disposition des étudiants un nombre important de bus qui peut permettre de faire en sorte que les étudiants soient transportés dans des conditions meilleures et sans difficulté aucune. Par rapport au conditions euh, dans cette période de lutte contre euh, le coronavirus. Il faut créer les conditions de lancer un appel à l'endroit des étudiants pour le port des bavettes surtout afin de limiter le risque de contamination. Nous étions dans ce forum en compagnie de messieurs Aboubakar Hamid Moubarak, qui est le délégué général de la commission transport Kota, commission transport de l'Union Union des étudiants nigériens inscrits à l'université de Niamey, de monsieur Mohamedou Alassane Bello, qui est étudiant en biologie, ancien délégué général de la CCD commission exposée, conférences et débat et également en ligne de monsieur Ibrahim Al-Bachar, qui est délégué principal de la commission transport. Nous avons également invité le Senou, mais qui très malheureusement n'a pas pu euh, répondre pour ce jour. Nous espérons l'avoir sur ce plateau dans les prochains jours afin d'échanger par rapport à toutes euh, ces questions. Merci. Euh, présentation Bakim Touré Al-Mustafa, à la régie technique Abdelkader Timbiano, réalisation vidéo Moustapha Ayuba, Merci et à bientôt pour un autre forum sur les thématiques d'actualité.